18h à Niamey, vous écoutez le studio Kalangu à travers nos radios partenaires. Tout de suite, le journal en français avec euh, Rahila Toussoumana sommaire 18 euh, morts et 43 blessés, c'est le bilan des affrontements qui ont eu lieu hier à Bangui dans la région de Tawa après une rixe entre éleveurs et agriculteurs. Nous y reviendrons en détail dans un instant. Nous irons ensuite euh, à Colo. Une motion de défiance a-t-elle été votée contre le maire Dans ce journal, vous entendrez le démenti de Salamat Suley, maire de la commune. Aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Le point dans cette édition. Des forages privés sont réalisés anarchiquement dans la ville de Maradi. Quelles sont les conséquences de ces pratiques La réponse, ça sera en partie magazine de ce soir avec la direction régionale de l'hydraulique. Messieurs, dames, bonsoir. Selon le ministère de l'Intérieur, au moins 18 personnes ont été tuées et 43 autres blessées ce mardi à Bangui, une localité de la région de Tawa, dans, des affrontements entre agriculteurs et éleveurs. Les détails avec Alassane Kouzi Mamadou. Selon les indications recueillies sur place, tout est parti d'une altercation entre un éleveur et un agriculteur. Cette altercation a débouché sur des affrontements d'une rare violence selon les témoins. Le bilan est lourd, on l'a dit, 18 morts, 43 blessés, des maisons incendiées. Le ministère de l'Intérieur indique dans un communiqué publié dans la nuit que suite au déploiement de forces de l'ordre et de sécurité dans cette localité, le calme est revenu et les patrouilles se poursuivent dans toute la zone pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Par ailleurs, précisent les autorités de Niamey, des enquêtes sont engagées et tous ceux qui se sont rendus coupables de ces actes atroces seront arrêtés et poursuivis en justice. Les conflits entre les agriculteurs et éleveurs ne sont pas chose nouvelle au Niger, notamment pendant la période des récoltes. En novembre 2014, 10 personnes ont ainsi été tuées et 13 autres blessées lors d'une bagarre entre éleveurs et agriculteurs près de birni dans la même région de Tawa. Suite euh, au vote hier euh, d'une motion de défiance à la mairie de Kolo, notre correspondant à Tilaberi, Abdoulaye Mahmoudou, s'est entretenu avec euh, Madame Salamatou Souley, maire de la commune urbaine de Kolo. Elle dément qu'il y ait eu vote de défiance et elle affirme en fait, en fait avoir démissionné de son poste. Écoutez ses explications, elles ont été recueillies par Abdoulaye Mahmoudou. Ce qui s'est passé réellement, c'est que les là m'ont demandé de l'impossible. Ils m'ont demandé de leur donner des actes, je ne peux pas. Et suite à ça, j'ai les actes de cession des parcelles. Quatre par conseiller, soit 1 600 000 par conseiller. Donc je ne peux pas, j'ai pris l'engagement de démissionner le poste de maire. Mais je vais rester en tant que conseiller, conseillère. Donc en fait, ce n'est pas que c'est une motion de défiance qui a été votée. Non, on n'a pas voté. On n'a pas voté. J'ai rendu ma démission bien avant l'heure de l'ouverture. Mhm. J'ai trouvé le préfet dans son bureau. Je lui ai déposé ma démission. J'étais venu dans mon bureau. Après, il n'y avait ni le préfet ni moi. Il n'y a pas eu de débat contradictoire pour faire passer la motion. Et ils ont, ils ont fait leur vote eux-mêmes. Ils ont appelé un huissier pour leur faire le PV. J'étais venu suite à une motion. Quand ils m'ont proposé le poste, je leur ai dit que je ne peux pas tenir leur comportement. Ils ont dit qu'ils ne vont pas me montrer ce comportement-là. Le 2 novembre de chaque année est célébrée la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes. Une journée célébrée par les journalistes et les travailleurs des médias au monde. Le point avec Tarnan Foudé Ahmed. La date a été choisie à mémoire de Jocelyn Dupont et Claude Verlon, journalistes de la radio France Internationale RFI, assassinés à Kidal au Mali le 2 novembre 2013. Et à la demande de la France et pour assurer la nécessaire protection des journalistes, le 2 novembre de chaque année est proclamé Journée internationale de la fin des crimes commis contre des journalistes. Un hommage à tous les travailleurs de l'information qui risquent leur vie pour faire leur métier. La résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies invite donc les États à prendre des mesures précises pour combattre la culture actuelle d'impunité qui bénéficie à certaines. Dans un document qu'elle publie à l'occasion de cet événement, l'organisation Reporters sans frontières rappelle que depuis 10 ans, 615 journalistes sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. RSF a aussi établi une sombre galerie de portraits Portrait de 35 chefs d'État, hommes politiques, chefs religieux, milices et organisations criminelles qui censurent, emprisonnent, torturent ou assassinent les journalistes. 10 d'entre eux appartiennent au continent africain. Le gouverneur de Difa, Mahaman Lawali Dandanou, a effectué ce matin une visite des organes de presse de la ville, une prise de contact qui se voulait aussi une action de sensibilisation aux questions d'insécurité. Mahaman Lawali Dandanou au micro de notre correspondant Adam Babukarna. Il vous souviendra que le samedi passé, nous avons tenu une grande réunion au niveau du conseil régional. La réunion où on a convoqué tous les leaders d'opinion de la région et il qui question du retour de la paix et la sensibilisation sur l'argent des DIFA. Donc nous sommes venus au niveau des médias de l'argent des DIFA pour deux objectifs. Le premier, c'est de visiter. Depuis ma prise de fonction, effectivement, j'ai pas eu le temps de venir visiter les médias. Le second, c'est demander euh, leur contribution dans le cadre de la sensibilisation. Je l'ai dit et je le répète toujours, l'armée a fait son travail et elle continue à le faire. La guerre n'est pas seulement une affaire de l'armée. Les civils doivent amener leur contribution. Donc, c'est quoi la contribution des médias C'est la communication. 25 ans de régulation des médias au Niger, c'est le thème du colloque international qui se tient depuis ce matin à Niamey. Le président du Conseil supérieur de la communication a ouvert ce matin les travaux de ce colloque international en rappelant que le CSC est né de la conférence nationale souveraine de 1991 et qu'il a survécu à toutes les turbulences. Mais à l'heure de l'Internet, quel sens donner au mot régulation La réponse d'Abdraman Ousmane, président du Conseil supérieur de la communication. L'évolution non moins fulgurante des technologies de l'information et de la communication impacte fortement la pratique de la régulation. Quelques exemples pour étayer cette affirmation. Premièrement, la diffusion des programmes par satellite, par Internet et par téléphonie mobile via les réseaux sociaux qui ignorent les frontières et défis se faisant les législations nationales et deuxièmement, l'avènement de la télévision numérique terrestre, qui a la particularité de bouleverser la chaîne de valeur de la télévision avec la séparation des activités de production et des activités de diffusion de contenu. Le président du CSC, propos recueillis par nos confrères de Labari. Il faut noter que les délégations des instances de régulation des médias du Bénin, du Cameroun, du Maroc et du Togo étaient présentes à ce colloque. Le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base et la coordination des personnels de l'éducation cause vont désormais agir de concert. Selon le syndicat, il s'agit de se donner les moyens de faire pression sur le gouvernement. Cette décision a été prise au cours de l'Assemblée générale du SINASEB qui s'est tenue ce matin à Niamey. Le secrétaire général du SINASEB, Halid Munkaila, au micro de Habibou Garba. La nouvelle formule, nous n'allons pas la cacher. C'est que euh, nous nous sommes entendus. Nous avons échangé avec nos camarades de cause Niger pour que dorénavant, nous puissions dorénavant engager des mouvements communs, c'est-à-dire des mouvements qui vont concorder. Si si va en grève de 72 heures de la semaine, en même temps cause Niger va en mouvement de 72 heures. Et certainement, que nous sommes en train de mettre en place un dispositif pour échanger entre les deux structures et voir comment est-ce que dorénavant nous puissions nous entendre sur une plateforme minimale qui va lier l'ensemble des enseignants du Niger que nous tous nous allons nous forcer à défendre pour le bonheur des enseignants du Niger. Ce qui est sûr, nous n'entendons pas en tout cas abandonner la grève. Nous allons continuer parce que ce qui est évident, même la semaine prochaine, nous serons en arrêt de travail. Mais je ne parlerai pas de grève limitée tout de suite, mais ça fait partie aussi des perspectives. Nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que le gouvernement accepte la réalité, accepte de rester s'asseoir et comprendre que on ne peut pas, comme ça, en tout cas gratuitement, euh, remettre en cause les acquis des enseignants. Nous allons nous battre jusqu'à ce que toutes les revendications des enseignants puissent trouver des solutions. La réaction du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens après la manifestation hier des scolaires de la communauté urbaine de Zender. Manifestation au cours de laquelle 19 étudiants et 4 policiers sont blessés. Hussein Sambo, le secrétaire général du comité directeur de l'USN au micro de Tanan Foudé Ahmed, déplore l'attitude des autorités et exige la relaxe des étudiants interpellés. Nous l'écoutons et les étudiants au niveau des Anders et les scolaires de la région des Anders étaient sortis pour revendiquer la condition de vie sociale et académique. Mais l'autorité en face n'a trouvé d'autre solution que d'envoyer les forces de l'ordre pour euh, mater les scolaires de la région des Anders. Chose que nous déplorons au niveau de l'Union des scolaires nigériens. L'étudiant était patient parce que ça fait cinq mois de cela que l'Université d'Ottawa, l'Université de Maradi l'Université de Zinder n'ont pas été mis de leur droit à ce qui concerne le permis de l'aide sociale. Nous demandons sans condition de relaxer tous les camarades qui ont été arrêtés parce que l'étudiant, sa place et des sa place d'étude n'est pas au commissariat, c'est au sein des universités. Et nous demandons à la police de livrer tous les cités qui ont pris et d'arrêter d'utiliser la violence contre nos militants partout où ils peuvent se trouver. Mais si l'on ne fait les prochains jours, je considère que l'État sera seul et responsable par rapport au comportement des étudiants aux scolaires dans notre pays. Vous venez d'entendre Hussein Sambo, le secrétaire général du comité directeur de l'USN, au micro de Tarnan Foudey Ahmed. À présent, nous marquons une courte pause avant de retrouver la partie magazine. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu à Niamey sur la radio alternative 99.4 FM à Zender sur la radio Choukra FM 105.5 FM à Dosso sur la radio Farah 92 FM à Tawa sur la radio Tambara 107 FM à Arlit sur la radio Ikokan 95.1 FM à Agadez sur la radio Nomade FM 101.9 FM à Tilabéri. Sur la radio Tébouassi. 97.5 FM à Maradi. Sur la radio Garkwa. 107 FM à Filengue. Sur la radio Mouriatalata. 95.1 FM à Difa. Sur la radio Anfani. 100 FM. Studio à Maradi, l'installation anarchique de forages privés inquiète le service de l'hydraulique. En effet, ces forages sont installés par des particuliers dans leur habitation pour faire face aux problèmes d'eau potable que la population rencontre surtout en période de chaleur. Mais souvent, ces installations ne sont pas faites dans les normes. Or, cela peut avoir des conséquences graves sur la santé des personnes. Écoutez le directeur régional de l'hydraulique et de l'assainissement de Maradi, Magaji d'Adinkowa, propos recueillis par notre correspondant Mohamed Mamman. Parfois, ces forages sont contigus au niveau des latrines, des fosses septiques et malheureusement, tout est indiqué pour que ces eaux-là ne soient pas de bonne qualité. De l'autre côté, nous savons aussi que dans la région de Maradi, nous avons l'effet du fluor et du nitrite qui prédominent. Vous vous rappelez sans doute que à Tchibli, nous avons eu dans les années passées sur Flior qui, on a dénombré quelques 250 enfants qui ont été mal formés. Donc c'est pour ça que nous, au niveau de la région de Maradi, en tant que responsable de l'hydraulique et de l'assainissement, nous demandons à ce que tout un chacun suit la réglementation. Parce que l'eau a plusieurs effets. Vous pouvez boire de l'eau tout de suite et avoir de la diarrhée. Mais il y a aussi l'autre aspect qui se manifeste par accumulation. C'est plusieurs années après qu'on se rende compte que effectivement que non, c'est l'eau que vous êtes en train de prendre qui est à l'origine de telle malformation ou telle autre maladie. Notre service est chargé. Dès que nous voyons un atelier de foration, nous partons immédiatement, nous arrêtons. Nous avons dit qu'il faut respecter la réglementation. Dans ce sens, nous avons sensibilisé les autorités. C'est le gouverneur seul qui donne l'autorisation de réaliser les forages. Donc, ils font des demandes et automatiquement, nous avons dit au gouverneur, et c'est ce qu'il fait, le gouverneur nous saisit pour qu'on lui donne un avis technique. Normalement, ce n'est même pas la peine de vouloir réaliser un forage une fois que le service de la Seine couvre la zone. Le problème d'insuffisance d'eau au niveau du robinet, c'est comme on dit en Rwanda Aujourd'hui, à Niamey, vous avez le même problème. Vous partez à Zander, vous avez le même problème. Vous partez à Gadez, vous avez le même problème. Pourquoi on ne peut pas avoir ce problème ici à Maradi Mais toujours est-il que vous avez de l'eau dans certains quartiers à 2 h du matin, à 5 h certains à 16 h Prenez des précautions. Et de l'autre côté, nous sommes en train de, de vouloir résoudre ce problème. Je vous dis que l'État a réalisé trois forages. Trois forages, dont deux au centre Caprin et un à la cité du 18 décembre. Ces forages-là sont en train d'être raccordés. Rien qu'hier, nous avons mis le dernier forage en service. Vous allez vous rendre compte que ce problème de quantité, de disponibilité de l'eau est en train d'être résolu. Mieux, avant-hier, nous avons reçu un projet qui va être financé par Exim Bank Chine, qui vont réaliser deux châteaux de 2000 mètres cubes chacun et 45 forages pour la ville de Maradi et ses environs. Donc, l'État est en train de faire du mieux pour résoudre le problème de disponibilité en quantité suffisante et en qualité. Fin de cette édition en français.